이렇게 কে কে déedéet maa ngi leen di kii waaw. la tradition ici à Bukotjola. Donc quand on a un nous c'est comme ça qu'on fait les derniers. Au revoir. Donc repose en paix Albert. Propose en paix, Albert. यार तो फिर होते हमारे बन के बोते होते आ रे भाई माना इसमें काटा काटा इसमें काटा तब उन्होंने मूर्ति

donc. Euh, hein? Merci d'être là. un, petit, Donc, euh, présentez-vous et dites-nous où est-ce que nous sommes et quelle est l'importance que, que, vous accordez à cette activité que vous faites aujourd'hui. Parce que on a notre papa qui vient de nous quitter et aujourd'hui vous êtes là en tant que fils du village. Expliquez-nous ce qui se passe. Pour les gens qui vous suivent en direct sur Bambé TV et qui ne comprennent pas, l'importance et l'utilité de ce que vous faites aujourd'hui c'est à Djola. Donc présentez-vous. merci beaucoup monsieur Mbaye. Cameraman. Mhm. Alors moi je suis Marius Bassel, je suis de Djola. Donc euh, je représente la jeunesse, je représente l'ASC. Aujourd'hui nous avons un grand jour. Un grand jour parce que le plus vieux du village qui est parti. Donc c'est une grande fête aujourd'hui. à Jola pour l'accompagner dans son dernier demeure. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour dire merci à ce roi, ce roi qui a tout donné, ce roi qui a tout fait pour tout un village. Et donc on ne peut pas le remercier assez. Voilà, c'était ça l'objet de, ce jour. Merci euh, euh quelle est l'importance réelle en milieu Jola de faire euh, cette euh, manifestation Voilà, comme vous le savez, Amadou Ampatema disait que quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est une grande perte Anjola kuatai, pour les gens qui vous suivent. Voilà, jom di kasaful, ke la kutate, siet nyukul nyata arwata bukul Ndiola, akone mu Albert Jata. Albert, akalaken bacina ba makabu, akalakum karangabu, akalakum la menge. Donc siet dakete, e commune fe ko bile kanum kutinga nol, ku jox ko ko di ko sumay. Donc siet ku nak bamak ata Ndiola. Donc cosana yoku yiseminye. Ah, Donc babe ana hana Donc, message lancer oh la nouvelle génération pour euh, pérenniser ces arts de manifestation. On dit que souvent, c'est la crise des valeurs, et c'est vrai. Donc, je lance un grand appel pour dire aux jeunes Euh, on vous présente toutes nos sincères condoléances. Et votre dernier mot, parce que Bambe TV s'est déplacé pour immortaliser ces, événements. Quel, est votre dernier mot Voilà, le dernier mot, moi je suis souvent Bambe TV. J'avoue que vous faites un, bon, job, vous faites un bon boulot au niveau des réseaux sociaux. je magnifie cela et merci à vous de faire le déplacement jusque-là en Casamance, particulièrement à Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que la fête soit belle et vraiment toutes nos condoléances. Donc comme vous venez de l'entendre, euh, le témoignage de Maurice. Donc en milieu Diola, quand un vieillard meurt, c'est comme ça qu'on lui fait les adieux. Donc c'est juste pour magnifier, pour dire que la tradition elle est sacrée. Donc euh, nous les jeunes, il faut garder cette tradition. Donc il occupait des postes, euh, très importants dans, la communauté, plus précisément ici à Bougodjola. Vous êtes en direct sur Bambay TV. Au Oulop Mahourim Hadis par rapport à la Nakata Papis, papis. Wow. Donc, était là, quand j'ai Bombay TV. Wow. titel ban set mana hero? ya bo su tuba alu ifoku lu akla salama nyama ja sobe ni bara jutta sumala ja bitini basate chapirik das kana ku na na tumtate le euh, message Dilan, c'est la nouvelle génération par rapport euh, à l'importance de la tradition à Djoula. L'importance, euh, c'est la nouvelle génération par rapport à l'importance de la culture Djoula. Tradition à Waouh, Donc ces braves dames, elles sont là aussi pour dire adieu au vieux Albert qui nous a quittés et qui sera inhumé aujourd'hui ici à Bukotjola. Amin kuatai. Kuatai. Ah, Eki eh. osani yende, ete musika mutotore. Mat, paske kongre a ne fuwa mene fa, abe karu tiga jika tabi juwasan kantu bisima wasan. Paske rono nini ngabe inafu donc rima nga manka ngo ne fike bine rinja e tangi tene fe passe bi nyibi kay bimbi iyo nga ko kontine ne cosane ne parce que cosane ne kin e dike ne te juat anga rok na rok ke ma ke fe ko sa ni nga rok rok jok ma non de ma honda ita bi honda am nga de ita bi ka ba ni ka ba ni ko ya ka do ya tan parce que ɗon nane foror Donc c'est une importance capitale à milieu Même les femmes font partie. Donc là, il vient de donner un grand message fort pour dire que c'est une tradition qui sera perpétuée de génération en génération. Donc, euh, comme vous le voyez, c'est c'est magnifique la tradition et vraiment merci. andi eh biñu bu bumai suka bini ka arrok binyi bumai bini rekat nanun binyi bok eh e eja biñu eh anu fasi fasi na fasi na di bami Amin. Se la casa más. Antu. Sabari. Minye tante bokku lañu anata ñoo bu Est-ce que wuy yak? Non jakut. Tante bola kete de. Waaw. Tanje bi ñu ñet. Sabari rek. Sabari. Tanje ba da xam ko su mom de itake mo de kaara ko parce que ma ñaan anare. Non baal baal. Baal est-ce que du loro venu du loro ñu jati de importance ya taxuna ka ta sir kaja kaja ibu ñu kaja man Wow. waaw ko to Anak-anak hana ka tamnya kala man hana woluli daba jo ucin bo wono hutok bata bu ta bololi oh, wo giye siet tangem nye tangem nye sohololi susumut jamai Pan hmm. siet Eski fantikaten. Eski tak bada kabo famukaten. Ah. Fanji jam jas ngam ko ko jola. Etam ko kulu babare lo le mo hebay. Etam bujal. Banta ñob ñaji faremu. Mhm. Ube ke lolu fe. Hasim hate hate bukan. Etam bujal. Lo bawu ñetay. Mhm. Ya betul sagalemu. Sabar. Donc c'est beaucoup de jola. C'est beaucoup de jola. Là, ils ont un ancien qui sera inhumé dans un instant. Donc en milieu Diola, c'est comme ça qu'on dit adieu euh, aux, anciens. Donc c'est la tradition, c'est la coutume. C'est juste pour magnifier, pour dire que la Casamance a beaucoup de culture. Donc c'est ça la Casamance, c'est ça la fierté. Voilà. Dore, jake. Ya, ya eh, jake. Ya mau. Eh, ni bu. Dia kamu kamoto, tangke mo vere. kamu Na bini ka buga kamoto. Ahamin, ahamin de. Inja kamoto, ife soki iya. kamu, Kamoto tang. Tama kamoto, na sana mi toso. Kamoto tang. Kamoto toso. Kamoto apete ringgit, ringe. Ingira itu, mi toso. Ingi mo tabeto sorari. macam-macam, Eh. Normal. Omo, omo. una kata sih itu lemah mata una kata sih beliau anoma nyari ke Albert? Avant tout, d'abord, euh, on vous fait Titi Bambay TV. Vous êtes aujourd'hui dans le village de Bukot bien précisément, et Tamboudal. Nous avons une cérémonie traditionnelle concernant l'un euh, de nos parents qui est décédé. C'est parti des tâches des du village. Aujourd'hui, grâce à vous, on sera reconnu presque euh, dans tout le monde entier à propos de l'Internet ok. J'espère que vous pouvez continuer. Merci beaucoup. Ok, Merci. Come on, who? Who? Who? Go, go. Go, go. Atau kongkulan. Matumu. Oh, usaha aku yang kena barang ini. Oh, bang ketungannya sakit. Oh. Pengannya sekolah subok dah. Tahu nggak? Marah. Lanjut. Eh. Lanjut. Eh. donc les gars restez connectés pour la suite